Bonjour. Les assises nationales de la presse et les candidatures à la candidature de Beno Bokeyakar pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 sont les sujets les plus commentés par les quotidiens. Les jeunes reporters listent les mots qui gangrènent la profession de journaliste, lit dans Sud Quotidien. Les assises nationales des médias ont été lancées après l'installation des six commissions. Les acteurs de la presse sénégalaise ont travaillé pendant trois mois pour trouver des solutions les meilleures pour le secteur note Walf Quotidien L'observateur affirme que le but est très clair. Il s'agit de faire en sorte d'avoir une presse plus professionnelle et de trouver des solutions aux difficultés économiques que rencontrent les médias, explique-t-il. Nous vivons dans une précarité totale, a déclaré une représentante de la Convention des jeunes reporters du Sénégal en s'adressant, selon l'AS, au patron des entreprises de presse. Prenant part à cette rencontre, Matassila, ancien directeur général de la RTS, estime, selon Tribune, que les médias doivent être le catalyseur de l'émergence à laquelle aspirent l'économie sénégalaise. Source A évoque les restrictions figurant dans le nouveau code électoral en vertu duquel les candidats à la candidature de Benobo Bokayakar n'étant pas été choisis par Macky ne peuvent pas présenter des candidatures indépendantes en modifiant en douce l'article 157 du code électoral. Pouvoir et opposition ont voulu empêcher toute rébellion interne à l'approche d'une élection, explique Source A. Par conséquent, ajoute le journal, tout responsable politique ayant choisi de quitter sa formation politique pour être candidat à la présidence devra louer un parti. Wolf Quotidien évoque la lenteur intrigante de la désignation du candidat de Benobo Kayakar. Le Premier ministre Amadouba semble être le candidat le mieux indiqué de Benobo Kayakar pour la présidentielle de 2024, mais avec l'interférence d'autres postulants et la longue attente, la position du président Macky Sall laisse une once d'espoir à ses rivaux, commente-t-il. tout Quotidien affirme que l'explosion du nombre de candidatures au antagonisme affiché au sein du parti au pouvoir, l'Alliance pour la République et la détermination de certains membres des partis alliés à prendre leur destin en main menace l'ambition de Macky de voir sa coalition unie le candidat de Bokaya doit être un fédérateur, rapporte le soleil en citant la députée Adji Mergan Kanouté. Il ajoute que le leader que se choisira Bokaya ne doit pas être dans un carcan ni être clanique. Bokaya peut bien trouver une candidat consensuelle, soutient Madame Kanouté. Les quotidiens évoquent aussi les nouvelles poursuites judiciaires visant Ousmane Sonko, à qui l'agent judiciaire de l'État va réclamer des réparations pour les conséquences des manifestations survenues au cours des derniers mois. L'annonce faite par les avocats de l'agence judiciaire de l'État font croire à tribune Kamakissal Alors le patrimoine d'Ousmane Sonko. Les choses se compliquent davantage pour l'opposant Ousmane Sonko. L'État du Sénégal s'est constitué partie civile dans son dossier et a mis en place un pôle d'avocats pour réclamer des dommages et intérêts au maire de Ziguinchor, Luton, dans l'AS. Il est rappelé qu'au cours des diverses manifestations, affirme l'observateur en citant les avocats défendant les intérêts de l'État, des biens publics ont été la des casseurs. Sud Quotidien nous parle aussi cette fois de l'ambiance électrique qui règne au sein de la coalition car Après la PR, les alliés pressent Maki Le journal Vox Populi met en exergue la situation difficile des étudiants sénégalais vivant en Turquie. Le collectif des parents déplore le mutisme de l'État du Sénégal. la tribune barre à sa une le président de Gumsabop qui annonce que son parti n'acceptera pas le blocage programmé du candidat par le parrainage. Le journal Walfadiri barre à sa une le dépôt d'une une lettre de protestation au ministère de l'Intérieur. 300 policiers mobilisés pour accueillir le député Guy Marie Sagna. Le quotidien Libération nous annonce que les vagues d'arrestations se poursuivent dans le camp de Pastif. Le lutteur Usine Dolé et un contrôleur des impôts arrêtés dans l'affaire Juan Branco. Sport en 2024 Rwanda-Sénégal à ou à Kigali. Le journal Stade met en exergue un conflit ouvert entre, deux, entre les deux fédérations. La fédération de football n'a pas pris d'engagement, nous annonce le journal. Selon l'Ambe Barça 1, la, trajectoire de Balagay 2. Selon le journal, en 10 ans, le Lion de Guédiouaï n'a gagné que 4 combats. Selon le journal Stade, le Lion de Guédiouaï ne réjouit plus alors que le combat Mabalé gribaudo va vers un report jusqu'à janvier. Bonne lecture.